le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangu qui consacre l'analyse des sujets et d'actualité avec les journalistes des médias de la place. Ce soir, nous allons donc euh, tout d'abord parler de l'absence euh, de candidature euh, féminine aux élections présidentielles 2020 et 2021. Aucune candidature féminine sur les 41 dossiers de candidature déposés au ministère de l'Intérieur. Nous resterons dans ce chapitre politique pour parler de la mobilisation générale de certains acteurs sociaux professionnels pour des élections apaisées au Niger. Ensuite, à volet culture, nous évoquerons l'élection de Miss Niger édition 2020 organisée par Djobala Production. C'est la candidate de Niamey qui a été sacrée Miss Niger. Et enfin, nous terminerons avec les félicitations de la CDAO adressées à Alassane Ouattara suite à sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour échanger autour de ces sujets, j'ai le plaisir euh, de recevoir euh, dans ce studio Maimouna Yado, journaliste indépendante, Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative, et Issa Amadougou, journaliste freelance qui va participer à ce forum en ligne. Merci donc euh, d'être venu dans ce forum. 41 candidatures aux élections présidentielles enregistrées au ministère de l'Intérieur à la date du 6 novembre 2020, date limite de réception des candidatures. Parmi ces candidatures, l'on note une absence notoire de la candidature féminine, contrairement aux élections présidentielles de 2016 où donc il y a eu une candidature féminine, celle de Madame Bayar Mariama Gamati. Pour euh, commencer, je vous propose de suivre donc l'interview que nous a accordée la politologue Dr. Euh, Elisabeth Sherif sur la question de la candidature féminine au Niger. On l'écoute. Beaucoup de facteurs sont susceptibles d'expliquer cette absence de femmes à ce haut niveau de compétition électorale et notamment des pesanteurs socioculturelles qui sont désavantageuses parce qu'elles présentent la politique d'une manière générale comme étant le domaine de prédilection des hommes. En ce qui concerne spécifiquement euh, l'élection présidentielle, cela concerne la haute magistrature de l'État. Et jusqu'à présent, dans nos sociétés, il y a des mentalités qui ne sont pas du tout favorables et qui sont même hostiles au commandement féminin. Avoir une femme à la tête d'une institution n'est pas encore bien accepté dans certains milieux sociaux de ce pays. À cela s'ajoute la caution demandée pour la participation, la somme de 25 millions qui n'est pas à la portée de toutes les femmes qui travaillent honnêtement. Vous venez là donc euh, de suivre l'entretien que nous a accordé la politologue Dr Elisabeth Chérif euh, sur la question de la candidature féminine au Niger. Quel euh, commentaire vous inspire l'analyse de Dr Elisabeth Chérif Je commence par vous. Issa Madoukou, vous êtes en ligne. Merci Fatih. Moi, je pense qu'il n'y a pas une exception ici à soulever ou bien une surprise. D'ailleurs, c'est Mme Bayer qui a osé pour la première fois. Euh, vous le savez très bien, la scène politique au Niger a été toujours dominée par les hommes. Et même dans les postes nominatifs. à un temps, on attendait même à voir un Premier ministre, euh, une femme. Mais ça n'a jamais été le cas. Au Niger, il n'y a que des slogans. La pratique est là et les gens, quand ils veulent profiter de l'argent des partenaires, ils font des slogans. Participation féminine, faire en sorte que la femme retrouve sa place dans le concert des grandes décisions. Tout ça, c'est des choses que ce n'est que des slogans, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas ça. Mais il faut situer le problème aussi à deux niveaux. D'abord au niveau des femmes, parce que vous voyez, à l'heure actuelle, nous sommes toujours dans, quand on regarde aujourd'hui la pléthore de toutes ces organisations qui défendent la cause féminine, elles sont toutes calées aujourd'hui dans cette histoire de quotas. Si c'est pour battre le pavé pour le quota, elles sont les premières. Mais maintenant, sur des questions qui engagent la vie de la nation, les femmes sont toujours derrière à croiser les bras pour dire les Mais comment, si vous voulez que les choses changent, que ça puisse être comme ça C'est vrai, comme docteur Elisabeth a eu à dire, il y a des préjugés et des conceptions aujourd'hui qui n'avantagent pas. Mais ces préjugés, on ne doit pas les laisser ainsi. Il faut que les femmes elles-mêmes puissent faire bouger les choses. Aujourd'hui, quand même, quand on voit dans la sous-région, aujourd'hui, les postes même électifs et les postes nominatifs que les femmes occupent, vraiment, on pense qu'au Niger, les choses doivent changer. Aujourd'hui, il y a combien de campagnes Même quand on parle d'élection, la mobilisation au niveau des urnes, c'est les femmes. Ce ne sont pas les hommes qui se mobilisent. Même pour aller retirer leur carte de vote, du recensement jusqu'au retrait des cartes d'électeurs, jusque dans les urnes, qui on voit Ce sont les femmes. Mais ces femmes aujourd'hui sont utilisées par ces politiciens. Elles n'arrivent pas à s'affirmer. Elles sont toujours dans le slogan avec leurs leaders qui sont cloîtrés dans des partis politiques qui n'osent dire que des mots. Mais si c'est pour venir à des débats, le faire, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est la femme même, c'est préjugés dont parler, docteur Elisabeth. Les femmes peuvent les combattre. Mais si les femmes aussi n'arrivent pas à s'affirmer aujourd'hui, moi je pense que la situation, va rester telle qu'elle. Aujourd'hui, nombreux sont ces hommes qui sont prêts à accompagner les femmes, à les aider, à ce qu'elles puissent vraiment être visibles et être très combatives sur le terrain. Mais si ces femmes même ne montrent pas cette volonté, elles se limitent seulement juste à des petits trucs parce qu'elles ont des financements des partenaires, elles voulaient exécuter les activités et venir croiser les bras. Non, moi je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'on voit aujourd'hui dans les candidatures, même au niveau des autres élections. Certes, c'est vrai, on voit quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont engagées, mais je pense que c'est insuffisant. C'est insuffisant en 2020 qu'on puisse dire qu'il n'y a pas assez de femmes aujourd'hui candidate à des élections. Il faut que les femmes elles-mêmes Personne ne viendra faire cette lutte à leur place. oui, <laughs> merci Issa Madougou, Je donne à présent <laughs> la parole à Maimouna Gado. Quel commentaire euh, vous inspire euh, l'analyse du docteur euh, Elisabeth Fatih, docteur Elisabeth a parfaitement, elle a dit ce que je pense aussi, que la femme aujourd'hui il faut regarder le contour, il faut regarder dans la société que nous vivons. Mhm. Aujourd'hui, cette société n'est pas prête à accepter qu'une femme soit présidente de la République, c'est très difficile. Aujourd'hui, il faut regarder également économiquement la situation de la femme nigérienne. On demande 25 millions pour la caution. Quelle est la femme aujourd'hui qui détient les 25 millions Mais il ne faut pas regarder aussi les 25 millions. Mais mhm. après les 25 millions, comment est-ce que ça va se faire la campagne mhm. C'est ça. Et deuxièmement, troisièmement, c'est que la femme elle-même, elle ne croit pas en sa capacité aujourd'hui. En fait, il y a une résistance en elle. Mm. Elle n'est pas sûre qu'elle peut convaincre, euh, déterminer, convaincre une population ou une euh, société à la suivre. Mm. Donc, il y a tout ceci. Il y a également le fait que chaque fois, quand on parle, on dit que la femme, elle est le maillon faible de la société. Je ne suis pas d'accord qu'on tienne ces propos à l'égard de la femme. Qu'elle soit maillon faible de la société, c'est elle qui veut être maillon faible de la société. Mais elle peut, comme l'a dit Isa, changer les choses. Il faut que les choses bougent. Parce que ces acteurs qui sont là aujourd'hui, ces ONG qui sont là, ces ONG et les partenaires sont en train de les accompagner. Mhm. C'est pour qu'il y ait un changement de comportement à leur niveau. Mais si le changement de comportement ne vient pas d'elle-même, ça sera très difficile que nous arrivons à ce qu'on ait une candidature féminine aux élections présidentielles. Quand vous regardez les élections législatives et locales, c'est parce qu'il y a un quota. Mhm. C'est le quota qui fait en sorte aujourd'hui que ces femmes se bousculent mhm. Mhm. pour aller à ces élections. Mais moi, j'ai été toujours contre ce quota. Parce que quand vous dites qu'il y a un quota qui est là, ça veut dire que vous ne donnez pas l'opportunité à la femme de se battre. Vous la mettez dans une position de faiblesse et elles acceptent la position de faiblesse. Maintenant, la première femme en 2011, c'est Madame Bayar Gamachi. Il fallait demander à Madame Bayar Gamachi après 2011 pourquoi elle s'est pas repositionnée en 2016 et pourquoi on attendait sa candidature en 2020 et s'est pas encore repositionnée. Peut-être qu'elle a beaucoup de choses à dire, mais je suis sûr que parmi tout ce qu'elle va dire, il y aura la détermination dedans. Il y a que les femmes ne se soutiennent pas. Il y a également les projets de société. Aujourd'hui, quand ton projet de société ne peut pas convaincre une société, tu, tu, peux être une femme, tu peux être même un homme. Quand ton projet de société ne peut pas convaincre une société, là, tu passes à côté. Et je ne suis pas d'accord à ce qu'on dise que peut-être la femme, c'est des préjudices, il y a des préjudices. Euh, oui, oui, mais avant donc euh, d'arriver à cette euh, question, puisque la question viendra après, je donne la parole à Hassan Boukar. <laughs> Hmm. D'accord, <laughs> merci. C'est une question qui non, non je pense que je, pense que les, mes prédécesseurs ont fait le tour, hein, docteur Elisabeth, hmm. Issa et Memouna, tout ça. Et je suis bien d'accord avec la conclusion de, de, Memouna. Hmm. On a quand même une expérience avec Madame Bayard, qui a déjà été candidate, qui n'est plus candidate mhm. en 2020, ce serait bien de faire parler Mme Bayard. Madame Bayard est quand même une actrice bien connue de l'espace public. Elle a quand même commencé comme militante pour la cause de la femme. Mhm. Elle a connu le gouvernement. Euh, elle a fait une carrière internationale. C'est quand même un acteur majeur sur la scène publique qui a osé se présenter aux élections et donc finalement qu'on ne retrouve plus. Mhm. Alors, quelle est la raison euh, Je pense que tous les arguments qui ont été mis sur la table hein, tiennent. Il y a d'abord la question de l'argent. 25 millions, je considère que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me rends compte que presque personne ne le critique. Parce que si vous ne le critiquez pas, ça veut dire que nous sommes tous d'accord pour que l'argent joue un rôle majeur dans les processus mm. politiques. Dans un pays probablement le plus pauvre du monde, on utilise l'argent pour éliminer les plus pauvres. Mm. Et donc, je vois que personne ne le critique. C'est comme si chacun s'est dit, je suis capable, il me faut avoir ces 25 millions pour être candidat. Alors pour les femmes, euh, euh, ce n'est pas surprenant en tant que tel. C'est simplement le constat que euh, le moment où la femme va prendre sa place dans l'espace public aux côtés des hommes n'est peut-être pas encore venu. Il y a peut-être encore du chemin pour arriver à ça. Sinon, dans un pays où elle constitue plus de la moitié de la population, mhm. sur une quarantaine de candidatures, je crois qu'on n'a jamais eu 40 candidatures pour une élection présidentielle, s'est retrouver avec aucune femme, c'est peut-être le constat qui est inacceptable mhm. et ça peut, ça peut choquer. Maintenant, ce qui serait davantage choquant, c'est si on retrouvait moins de femmes sur les élections législatives et locales. Quand je dis moins de femmes, je veux dire uniquement le quota. Parce mhm. que les partis politiques vont respecter le quota pour sécuriser les listes. Ce n'est pas mhm, un intérêt pour la promotion de la femme. C'est que si le quota n'est pas respecté, les listes ne sont pas viables, elles seront rejetées. Donc, si mhm. il n'y a que le strict quota, ce serait, ce serait quand même bien dommage pour les élections législatives locales. Moi, il y aura un seul président de la République, mais on aura plusieurs dizaines de parlementaires. Si, par exemple, les femmes étaient bien représentées à l'Assemblée, on peut espérer qu'elle puisse user le pouvoir que la loi leur donne pour changer des choses. Donc moi, mon souhait, c'est qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale, euh, en tout cas plus que maintenant pour les élections à venir, qu'il y ait plus de femmes dans les conseils municipaux au niveau local. c'est serait cela. Bon, sur le présidentiel, euh, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Euh, Issa l'a dit, on est sur un terrain dominé par les hommes. Mhm. Peut-être que c'est pour ça que je reviens encore sur le, euh, quel bilan, par exemple, Mme Bayard fait de son expérience La question, c'est est-ce que la société, elle est prête à avoir une femme aux hautes fonctions de l'État, je ne sais pas, ça ferait tout un débat. Mais en tout cas, le constat, c'est que bon, moi j'entends bien, je trouve Issa très fort dans sa critique contre les femmes, hein. mais je me dis, euh, encore une fois, il y a un minimum. Si tu n'es pas candidate, on ne va pas voter. Donc le minimum, il faut être candidate. Merci Hassan Boukar. Au Niger, les femmes occupent plus de la moitié de la population, estimée à plus de 22 442 948 habitants selon l'INS en 2018. Malgré leur poids démographique, les femmes sont sous-représentées au plan politique. Qu'est-ce qui freine réellement la participation politique des femmes au Niger Manque de moyens, incapacité, poids culturel, même Gado Vous l'avez dit, manque de moyens, incapacité, c'est surtout l'incapacité. Je vois pas, je mets pas d'abord l'argent en avant. Mhm. Parce que quand vous êtes dans un parti politique, il faut savoir pourquoi vous êtes dans un parti politique. Pourquoi vous militez dans un parti politique. Parce que quand vous êtes dans un parti politique, on voit tout de suite qu'une femme est là pour mobiliser les postes, c'est des seconds postes qu'on vous donne. Ça veut dire que vous pouvez mobiliser pour euh, un parti politique, mais vous ne pouvez pas mobiliser vous-même votre propre électorat. Donc, ça veut dire que là, il y a un problème. Parce que si, pour euh, changer la mentalité des femmes, il mhm. faut d'abord qu'il y ait une sensibilisation. Et sensibiliser, les former d'abord sur les questions politiques, pour que ces femmes-là connaissent c'est quoi d'abord la politique. Est-ce qu'on vient en politique parce qu'une telle est en politique ou bien parce que c'est un leader qui est en politique et j'aimerais être à côté de ce leader. Mais on vient en politique, c'est pour se battre, c'est pour s'affirmer. Donc s'il n'y a pas tout ça, ça veut dire que jusqu'à présent, la femme, elle reste euh, au bas de l'échelle. Mhm. Et maintenant, il y a aussi l'instruction. Ça veut dire que il faut des femmes instruites. Aujourd'hui, quand on regarde on a 52% de la population féminine, et les féminines. Mais les 52% de la population qui sont féminines, la majorité, c'est les femmes rurales. Est-ce qu'aujourd'hui, ces femmes citadines qui représentent peut-être 10% de ces 52%. Est-ce que ces femmes citadines peuvent faire l'affaire de toutes ces femmes rurales Donc, il y a un problème. Mm. Il y a le problème de l'éducation. Donc, il faut qu'on aille vers le maintien de la jeune fille à l'école, l'instruction de la jeune fille. Parce que peut-être pas aujourd'hui, mais il faut regarder dans l'avenir. Pour que les choses changent, en matière de politique, d'ici 2030, l'horizon 2030, il faut d'abord qu'il y ait le maintien de la scolarisation de la jeune fille et de son maintien à l'école. C'est ça qui va faire changer les choses. Voilà. Oui, Maimouna. Il y a Issa Madougou qui, est en ligne. Euh, euh, je vais lui donner la parole. Issa, Madougou, quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour assurer une égalité de chance aux femmes donc face aux hommes pour les échéances électorales. Euh, merci Fatih, mais je veux rebondir sur quelque chose dont je suis pas d'accord avec euh, Maimouna elle parlait de, sensibilisation et de moyens. Les sensibilisations là, depuis combien d'années on est en train de faire des sensibilisations Honnêtement parlant, on fait des sensibilisations dont on n'a pas de résultat. Ce qui veut dire qu'il y a un problème qui se passe à, un niveau. Il y a donc normalement, quand on, on entreprend quelque chose, on doit évaluer pour voir l'impact. Les sensibilisations, on en a fait toujours. Même quand vous parlez pour dire qu'aujourd'hui, certes, c'est vrai, cette statistique, tout le monde le sait que le plus souvent, c'est pour amadouer euh, le monde extérieur, les Nations Unies qu'on pour que on puisse venir voir comment ça se passe, les conditions de la famille. Il faut que ça, ça s'arrête d'être un slogan et un moyen de se faire l'argent. Les femmes rurales, là, aujourd'hui, elles sont en train de développer des capacités que même les femmes qui s'estiment citadines, être instruites, elles n'arrivent pas à le faire. Aujourd'hui, quand vous partez, vous allez voir des méthodes de résilience face à l'insécurité alimentaire, face au bien-être de la famille, face à l'éducation des enfants, malgré que l'école ne marche pas dans les milieux ruraux. C'est des choses que nous... Mais comme nous, nous sommes dans une société dominée par les hommes, où les décisions prises par les hommes ne sont pas contestées, c'est ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas cela. Aujourd'hui, comment faire pour changer les choses Il faut que toutes les femmes, sans exception, arrivent à regarder dans la même direction. Il ne faut pas que seulement ces femmes rurales soient seulement des cibles de programmes pour satisfaire l'envie de certaines femmes. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, cette lutte-là, vous voyez des pays comme au Sénégal où ils sont à la parité. Vous pensez qu'elles sont parties dormir et se cloîtrer aujourd'hui derrière les hommes pour avoir ça Non, elles se sont battues. C'est extraordinaire quand vous voyez la qualité des débats dans l'hémicycle au, Sénégal. Vous pensez qu'on ne peut pas le faire ici On peut le, bien le faire. Parce que quand vous regardez, même au sein des partis politiques, organisation de femmes, virgule, femmes organisation femmes, point d'exclamation, tant, tant, tant, tant, Elles sont toujours là, cloîtrées derrière les hommes. C'est comme si elles n'arrivent pas à s'imposer, à donner leur vision. Aujourd'hui, une formation politique, c'est un regroupement à base d'une idéologie et des intérêts. Un groupe ne peut pas imposer à un autre groupe. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Les femmes, personne ne viendra faire cette lutte. Aucun homme aujourd'hui ne va venir, un leader, pour dire que non, moi je veux porter 80% de femmes sur mes listes. Non. Comme Boukar l'a dit, même le quota là, c'est pour qu'on ne rejette pas leur liste. Donc c'est aux femmes aujourd'hui de faire ce combat, d'arrêter d'être toujours en arrière, d'être des mobilisatrices pour certains, à arriver à leur fin, pendant que même quand vous voyez dans la configuration, c'est les femmes qui sont les plus nombreuses. Gouvernement, quota, non. Il faut que les femmes arrivent à s'imposer. Moi, je ne suis pas d'accord aujourd'hui qu'on me dit, depuis la démocratie, qu'au Niger, il n'y a pas de femmes qui se sont succédées à la primature. Pourquoi Merci, M. Issa Madoukou. On passe au deuxième euh, sujet euh, de ce forum euh, de la presse. À quelques semaines des élections locales, législatives et présidentielles, la mobilisation des couches socioprofessionnelles pour des élections apaisées s'est fait déjà sentir avec des séries de déclarations du ministère de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant, de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Ces derniers appellent surtout les médias à plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Quelle appréciation faites-vous de ces initiatives d'apaisement du climat politique, Hassan Boukar Merci. Je pense que pour tous les observateurs de la scène politique, ces élections s'annoncent difficiles. Mm. On vit déjà presque une crise euh, préélectorale. Et donc, de cette crise préélectorale, on s'est dit que ça peut impacter négativement l'organisation des élections mais pour certains, il est sûr qu'on débouche une crise post-électorale. Donc ces risques, je pense qu'ils sont perceptibles par tous les acteurs et c'est pour ça que la CNDH, par exemple, a pensé mettre en place euh, ce comité de sages pour s'adresser à tous les acteurs, mhm. euh, rappeler aux gens les risques qu'on voit déjà à travers les déclarations, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, et le fait que tout cela n'est pas de nature à créer les conditions d'une élection paisible mhm. acceptée par tous. C'est un risque que tout le monde voit et donc c'est bien. Alors je me dis face à ces risques, où, on s'était, où on prend des initiatives en espérant changer les choses, c'est ce que la CNDH a fait. Je pense que c'est une bonne chose. Mais dans tous les cas, euh, ces déclarations euh, ont leur place au vu du climat dans lequel les élections s'organisent. On a une commission électorale nationale dans laquelle l'opposition ne siège toujours pas. Il n'y a pas de dialogue entre la majorité et l'opposition, ça fait des années. Euh, il y a quasiment une rupture euh, entre ces deux blocs. Euh, sur les réseaux sociaux, les choses s'enflamment mhm. autour de certaines candidatures en particulier. Tout cela laisse croire que les élections à venir sont vraiment des élections à risque. Alors face à cela, je comprends bien que les gens puissent alerter en disant prépare nous faisons attention au vu de ce qui arrive. Moi, je m'attends par exemple euh, à, ce que le président de la République ne se taise pas aussi. Mm-hmm. Pendant quelques temps, on l'a vu lors de ses déclarations à la nation, dire qu'il tend la main à l'opposition. Euh, parfois, il se félicite des dialogues euh, entre l'opposition et la majorité. On sait maintenant que ces dialogues n'existent pas en tant que président de la République s'est engagé souvent à la veille des élections pour dire qu'il porte sur lui la bonne tenue des élections. Il faut bien aujourd'hui que tout le monde perçoive les risques, qu'il ne se taise pas, qu'il puisse agir de façon à ce que les élections soient effectivement euh, qu'elles puissent se tenir dans un climat apaisé et tout ça. Donc je crois que c'est, il a aussi un rôle. Pour l'instant, je ne pas entendu, sauf si j'ai raté quelque chose. Il faut bien qu'il puisse aussi, avec tous les, euh, le pouvoir que la loi lui donne, il puisse agir de façon à ce que ces élections quand ça arrive, si euh, je ne le souhaite pas que les choses arrivent, il ne faut pas que les gens disent on ne sait pas. Mhm. Il y a beaucoup de signaux qui laissent croire que ces élections sont à risque. il ne faut pas que les gens disent après on ne savait pas. Merci à Samboukar. Issa Madougou, la période électorale est un moment crucial où l'ordre public peut être remis en question. Un moment où le besoin d'informations vérifiées, fiables et équilibrées se fait sentir. À ce propos, la CNDH a lancé un appel aux journalistes d'être impartial dans le traitement de l'information. Quel comportement doivent-ils donc adopter les journalistes durant cette période des élections avec euh, tous les les enjeux qui en sont liés, Isamadou. Merci Fatih. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas au niveau des médias que l'inquiétude doit se poser, parce que tout le monde sait que les médias devront fonctionner en fonction dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en fonction de l'éthique, la déontologie, tout en ne perdant pas de vue les différents points inclus dans la charte du journalisme nigérien. Aujourd'hui, le défi majeur, ce sont ces réseaux sociaux. Tout à l'heure, un peu effleuré cela. Ça s'enflamme beaucoup là-bas. Il y a comme une machine de fabrication de fake news. Il y a aujourd'hui, on ne sait même pas quoi. Ces réseaux sociaux aujourd'hui devraient être des moyens, même pour ces jeunes, de, de gagner des revenus. Mais l'usage dont on fait aujourd'hui, sous la bannière politique, c'est extrêmement grave. Moi, je suis d'accord à ce que aujourd'hui, que tous ces, tous ces appels-là puissent être entendus. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait aussi l'implication du chef suprême de la nation. Il faut que le chef d'État, qui aujourd'hui se dise qu'il va laisser le pouvoir à la fin de son mandat, il va organiser des élections et partir, puisse aujourd'hui s'impliquer pour que tout ce processus se déroule dans le calme, la paix, la sérénité, et que ce soit des élections transparentes et inclusives. Parce qu'aujourd'hui, la fois les défis qui s'imposent, moi je ne vois pas ça même au niveau des médias parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a des formations qui sont données à l'ordre des élections aux professionnels des médias. Les professionnels des médias, ce n'est pas eux, même s'il y a certains dérapages, quand même ce ne sont pas des dérapages majeurs, c'est mineur, qu'on peut rectifier. Mais aujourd'hui, le défi, ça se trouve au niveau des réseaux sociaux. Il faut qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux ne soient plus des moyens de propagande de fausses nouvelles de rumeurs, de fabriques de fake news. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une industrie de fake news au Niger qui n'avantage personne, qui au-delà dégrade notre image, la dignité même d'être nigérien parfois. Parce que quand vous voyez certains écrits, vous avez du mal à pouvoir même lire, vous êtes obligé de vous déconnecter. Aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parfois vous n'avez même pas envie de vous connecter parce que vous voyez que c'est un moyen qui peut faire gagner de l'argent à cette nouvelle génération dont nos papas, nous, eux, ils, n'en avons pas. Aujourd'hui, quand vous voyez chaque fois dans les journaux, des magazines, des jeunes qui mettent à profit leur page et se faire des revenus. Aujourd'hui, quand vous voyez la réalité nigérienne, vous êtes tenté de se dire, mais attendez, à quoi réellement pensent ces jeunes Puisque ce sont les jeunes qui sont utilisés. Le fait qu'ils soient utilisés par les politiciens, il faut qu'ils n'oublient pas, quoi que vous fassiez, nous, nous sommes déjà des êtres humains. Il faut nous dire que nous avons des valeurs. Nous avons des points comme l'honneur et la dignité que nous ne devons pas perdre de vue. C'est pas parce qu'aujourd'hui, nous défendons tel bord que nous devons dénigrer jusqu'à rentrer dans l'intimité des gens pour que, il faut que nous, soyons, calmons le jeu. Ces élections-là, nous les souhaitons. Ce que nous avons vu dans les autres pays, nous n'avons jamais le souhaité pour le Niger. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez toutes ces déclarations, toutes ces sorties médiatiques, toutes ces tous ces appels au calme pour que les gens modèrent, pour que les gens puissent travailler dans le respect des règles qui définissent leur travail. Parce qu'on a vu dans d'autres pays comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez vu la Côte d'Ivoire, vous avez vu des pays comme le Cameroun, malgré qu'il y a eu maintenant les élections régionales, vous avez vu comment ça entend de s'embraser même là-bas. En Centrafrique, il y en a. On a vu des cas pareils dont on ne souhaite pas. C'est pour cela, moi, j'en appelle également, pas seulement aux journalistes, parce que moi, je sais que les journalistes feront leur part. Même s'il y a des dérapages, on peut les contrôler. pour terminer, que les associations socio-professionnelles des médias continuent aujourd'hui dans le renforcement de capacités à outiller encore les, journalistes et les autres professionnels pour qu'ils puissent effectuer la couverture de ces élections dans le respect de, de l'art, en respectant l'éthique, la déontologie, en respectant aujourd'hui tout ce qu'il y a comme dispositif en termes de loi qu'il a dans le cadre de ces élections. Comme, comme par exemple, les, médias traditionnels, euh, au-delà de toutes les formations qui ont été faites, normalement dans une rédaction, il y a quand même un travail d'équipe. On peut toujours faire appel à la responsabilité des médias mhm. ou à l'opportunité de diffuser tel ou tel. Les médias, on sait comment ça fonctionne. Euh, ce qui est peut-être difficile aujourd'hui à contrôler, c'est les réseaux sociaux, mhm. la façon dont les gens l'utilisent euh, comme ils veulent, etc., Donc, à mon avis, il y a beaucoup plus de risques aujourd'hui sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels qui ont quand même euh, des responsables, des gens qui répondent et des gens qui ont, la chance d'avoir beaucoup de d'accompagnement, de formation à la veille d'un événement majeur comme les élections. Le ah. problème, ça va être sur les réseaux sociaux. Mais Moungado, quel euh, comportement du côté des politiciens, quel comportement doivent-ils euh, adopter pour euh, des élections apaisées C'est pas parce que peut-être que vous êtes des politiciens que vous allez dans l'arène pour <laughs> un challenge mhm. qu'aujourd'hui vous souhaiterez à ce que le Niger s'enflamme. Je ne suis pas vraiment d'accord sur ça. Faites votre politique tenez des propos, des propos qui ne vont pas enflammer en fait ce Niger, mhm. tenez des propos à l'endroit de vos militants d'une manière où ces militants peuvent vous comprendre. C'est pas la guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Nous allons à des élections. Et aujourd'hui, l'enjeu de ces élections, c'est d'abord vous, les politiciens. C'est à vous de montrer le bon exemple pour que vos militants qui sont avec vous, qui sont derrière vous, puissent également montrer le bon exemple et pour que nous puissions arriver à des élections apaisées au Niger. Mais avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais ça fait peur. Quand on voit quelqu'un se déchaîner sur quelqu'un de l'autre côté, mais on a l'impression que est-ce que nous sommes au Niger Est-ce que c'est la culture que on nous a inculquée Est-ce que ça, c'est les bonnes manières Est-ce aujourd'hui, celui qui aspire aujourd'hui à diriger un pays, est-ce que c'est le comportement qu'il doit il y a tellement de questions qu'on doit se poser et que je me dis que les politiciens doivent également, ne serait-ce que quelques minutes, réfléchir à la situation du Niger, mhm. de voir la situation du Niger autrement. Parce que tout celui qui aspire à diriger un pays, c'est qu'il n'y ait pas de problème à la longue. Mhm. C'est qu'il y ait, c'est tu ne peux pas diriger un pays quand il n'y a pas le calme. Tu ne peux pas diriger un pays quand il y a l'insécurité. Donc, aujourd'hui, vraiment, L'appel qu'on doit lancer, ou bien l'appel que moi je vais lancer à l'endroit de ces politiciens, c'est vraiment de revenir à une situation, de calmer les choses, de tenir des propos qui ne vont pas enflammer le pays. Merci Maimoun Agado. Enfin, nous abordons le dernier sujet du forum de la presse de ce soir. Comme je l'ai annoncé au début, un communiqué au sujet de l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. La CDAO dit en substance avoir pris donc connaissance de la décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 2020 portant publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 octobre et qui euh, proclame Alassane Ouattara, donc réélu président en deux Côte d'Ivoire. La CDAO a adressé au président élu Alassane Ouattara ses félicitations dans la conduite euh, des élections et elle euh, l'encourage à poursuivre ses efforts pour la consolidation et l'application des actions de la Côte d'Ivoire et de tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des Ivoiriens pour relever le défi. Quel commentaire vous inspire la position de la CDAO dans le dossier ivoirien Memoun eh, Fatih, c'est tout à fait normal. C'est une institution et l'institution ne fait que jouer son rôle. C'est d'apaiser le climat politique. Quand il y a lieu d'apaiser, il, faut le faire. Donc, moi, je, je vois qu'au vu de la situation en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on peut faire, tout ce que la CEDAO peut faire, c'est ce que la CEDAO vient de faire. C'est de mhm. calmer le jeu. Calmer le jeu parce que je vois pas, déjà, il y a eu des élections. Nous sommes déjà, les élections sont déjà finies. Mhm. Le président est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut tenir des propos, comme je viens de le dire à l'instant, des propos qui calment mhm. le jeu. Donc, la CEDAO, est dans son jeu, dans sa position, et c'est bien normal, comme je viens de le dire, c'est une institution. Il faut bien que l'institution aussi prenne ses responsabilités des fois. Et il fallait prendre des dispositions avant même que ça n'arrive. Mais maintenant, comme c'est arrivé, il n'y a plus moyen de reculer. La seule chose qu'il faut faire, c'est de réunir tous les Ivoiriens, de les amener à se comprendre entre eux d'abord, et ensuite pour pouvoir calmer le jeu. Issa qu'est-ce que vous en dites par rapport à la position de la CDAO dans le dossier ivoirien Oui, merci Fatih. La CDAO des chefs d'État, pas la CDAO, la vision de la CDAO, celle des, des, des, peuples. C'est, ce communiqué ne reflète que la CDAO des chefs d'État. Effectivement, il doit doivent se prononcer depuis. Mais aujourd'hui, quand on voit même quand la situation est en train de trouver un dénouement avec, la rencontre entre Dédié et Ouattara, qu'est-ce que la CDAO a fait La CDAO aurait pu envoyer des émissaires pour être tapés sur la table pour que les choses puissent être calmées. Mais aujourd'hui, vous attendez quoi Que la CDAO rame contre Coran, contre Ouattara Jamais. Jamais. Ils ne vont jamais se lâcher. Vous ne les avez pas vus ici au Mali Ils veulent même restaurer de force IBK. Mais la CDAO aujourd'hui, c'est comme à l'époque où Tanja disait sur ce que Tanja disait sur la CDAO. La CDAO, la vision, arriver à une CDAO, à une communauté de peuples, ça là, c'est un rêve topique. Ça va rester toujours la CDAO des chefs d'État. Ils vont se soutenir entre eux. Avant de parler de la Côte d'Ivoire, parlons de la Guinée d'abord. Qu'est-ce que la CDAO a fait là-bas mais c'est une aberration, c'est même une honte, une insulte pour la démocratie occidentale de l'Afrique de l'Ouest. Quand de l'autre côté de l'Afrique, euh, des autres parties de l'Afrique s'en félicite de la dynamique de la démocratie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on voit un président qui amène un texte en référendum. Maintenant, au niveau de, euh, de la Cour constitutionnelle, on change carrément le texte, on amène un nouveau texte pour validation comme nouvelle constitution et la CDAO est là pour se taire. Parfois, la CDAO même est en train de prendre en otage le peuple de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, quand on voit qu'en Côte d'Ivoire, 85 mois, mais c'est trop pour des intérêts entre des gens qu'on peut éviter. Quand vous prenez en Guinée, les chiffres que le gouvernement donne de mort et les chiffres aujourd'hui, même les, organisations qui sont en train de devoir faire un peu le, point de la situation, n'arrive pas à voir le chiffre exact. Vous voyez, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut que la CDAO se ressaisisse, que la CDAO sorte de ce carcan de communiquer si la CDAO veut réellement. Mais on a vu, tout ça c'est parce que il y avait un projet qui a été capoté. Les autres chefs d'État, surtout les anglophones, sont en train de regarder les francophones depuis qu'il y a eu cette affaire d'écho, un projet qu'ils ont mené, ensemble, dans le Niger et le Ghana avait la charge de la conduite du projet et à la dernière minute, on voit un président, euh, comme on appelle euh, Ouattara, qui dort, qui se réveille et qui fait autre chose. Donc c'est ça un peu la réalité des choses. Mais il faut que les choses puissent changer et que cette institution puisse retrouver sa crédibilité. Il faut que cette institution puisse jouer réellement son rôle, qu'elle ne se cache pas derrière uniquement des principes. Hassan Boukara, pensez-vous que la CDAO a-t-elle équitablement joué son rôle dans ce dossier Bon, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a joué équitablement son rôle, mais euh, il n'y a pas de surprise. Euh, la CDAO considère qu'il y a des institutions qui fonctionnent en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections qui ont été organisées une cour constitutionnelle a dit que les élections se sont passées régulièrement. Elle a déclaré un vainqueur et donc la mmh. CDAO prend acte. Maintenant, euh, ça ne dédouane pas la CDAO de tout ce qui est en train, est en train de dire. On voit la CDAO seulement à une étape du parcours. C'est-à-dire, avant d'arriver à la contestation d'un chef d'État, jusqu'à un coup d'État comme au Mali, avant d'arriver euh, à ce que l'opposition guinéenne ou ivoirienne est en train de faire. Il y a tout un parcours qui s'est fait pendant lequel la CDAO est totalement absente. La CDAO arrive au moment où les choses s'empirent, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à contester des institutions. Par exemple, regardez au Mali, ceux qui ont manifesté avant le coup d'État disent on est dans un système judiciaire totalement corrompu, accaparé par ceux qui ont la gestion du pouvoir politique, qui fait que nous, peuple malien, on n'est pas satisfait de ça. Et ça, inévitablement, ça débouche sur des crises. Mais pendant ce temps, vous ne voyez pas la CDAO. La CDAO arrive au moment où Ibeka, le poste de Ibeka est menacé. Donc, à mon avis, il faut que la CDAO travaille sur la qualité de la gouvernance, pas seulement en rapport avec des élections, mais entre deux élections. Il y a énormément de choses qui se passent entre deux élections, par exemple des changements de constitution, euh, par un coup de force pratiquement, etc., etc., qui font que des élections se passent bien ou elles se passent mal. Donc, en amont, tout ce qui se passe, la CDAO est totalement absente. Euh, on a comme l'impression que le protocole de, la CDAO c'est la bonne gouvernance. Elle ne concerne que les fauteuils présidentiels. C'est un peu comme ça que j'ai lu la réaction d'Issa Donc, à mon avis, il faut bien qu'on arrive à une CDAO qui travaille aussi sur la qualité de gouvernance entre deux élections, qu'elle n'attende pas les crises. Parce que les crises ont été préparées en amont. Il y a beaucoup de choses qui font que les institutions ne fonctionnent pas très bien. La Constitution est violée à l'agrément dans, dans nos pays. Et tout cela débute souvent sur des élections mal organisées ou la contestation du président en tant que président responsable. Donc, en amont, il faut que la CDAO arrive à, apprendre à travailler. Ce ne sera pas simplement lorsqu'on conteste un poste. Merci à Boukara pour euh, terminer. On parle un peu de la culture euh, disparue depuis plusieurs années dans le monde culturel. Cette compétition qui fait la promotion de la beauté féminine nigérienne refait et surface l'édition de l'élection Miss Niger 2020 euh, et reprise sous l'initiative de l'agence de communication la Production. Et la compétition s'est vue le sacre de Myriam Abdou Saleh, candidate au titre de la région de Niamey. Mme Diado, euh, comment appréciez-vous le retour de cette compétition de Miss Niger Bon, le retour de cette compétition de Miss Niger, euh, Fatih, je vais d'abord te poser aussi la question. Comment est-ce que il y a eu le retour donc de cette compétition Parce que, à mon avis, je savais que les marabouts avaient contesté la tenue, la poursuite, mhm. je dirais, des autres éditions de Miss Niger. Avant, c'était organisé par Alphadi. C'est Alfadi qui organisait. Qui organisait. En collaboration du ministère de la Culture. Avant, c'était l'initiative d'Alfadi. Mmh. C'est après que euh, le ministère a rejoint Alphadi dans ce grand événement. Bon. Maintenant, comment est-ce que je vois ça Je vois que bon, si c'est, ça peut aider la culture, euh, mais bien que c'est pas une culture nigérienne, parce que c'est du point de vue vestimentaire, euh, je suis totalement je euh, je suis pas totalement avec cette euh, soirée culturelle de Miss Niger parce que les femmes d'abord, d'abord toutes les femmes sont belles. Mm. Au Niger, il n'y a pas de femmes violentes. Mais bon, c'est bien. C'est d'encourager <laughs> ah, le promoteur à aller de l'avant pour ça. Parce je, ne dirai pas plus. <laughs> je voilà. pratiquement pas trop de choses à dire sur ça. Et <laughs> ça, Madougou Franchement, j'ai pas bien <laughs> trop suivi cet événement, mais moi je pense que si c'est un truc qui, est organisé au Niger, mm. pourquoi pas encourager à continuer si c'est pour promouvoir la culture nigérienne. Moi je pense que quand des jeunes Nigériens veulent vraiment entreprendre, quel que soit dans le domaine, il faut juste les encourager. Ouais. Mais moi j'ai pas trop suivi. Je pense que c'est comme si j'ai vu, ça fait un petit truc euh, buzz, ja, buzz euh, euh, ce qu'on décrit tout à l'heure, le comportement là, mais je n'ai pas trop suivi, je n'en sais pas beaucoup sur ça, franchement. Mais si c'est pour promouvoir la culture nigérienne, bon vent à l'équipe qui a eu à le faire. <laughs> Mais il faut pas qu'on. Nous sommes. Euh, à la merci. Voilà, mais je, juste, veux ajouter quelque chose. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, euh, les gens se cachent derrière quelque chose pour essayer de dire quand les gens prennent des initiatives. Il ne faut pas forcément dire que non, c'est pas bon apporter des propositions pour qu'on puisse améliorer afin que ça puisse se conformer aux réalités. Mais il faut que les gens arrêtent de dire non, c'est pas bon. C'est pas bon là, on peut l'arranger. Quand vous venez, c'est ça qui décourage aujourd'hui beaucoup de jeunes qui veulent faire des initiatives. Selon vous, quels sont les points d'amélioration de cette compétition Non, moi j'ai vu, j'ai lu quelques lignes. C'est parce que je, je m'aspirais un peu à aller au fond dans le commentaire. J'ai vu quelques commentaires sur l'organisation. Mais moi, ce que j'estime, c'est mon point de vue. J'ai dit quand on a une idée d'une personne, il ne suffit pas forcément de rejeter l'idée de la personne, mais faire des propositions pour qu'on puisse améliorer l'idée, que ça puisse conformer, même si vous dites que ce ne sont pas nos réalités. Aujourd'hui, les gens se cadrent derrière la religion. Ta foi, c'est ta foi, c'est entre ta relation entre toi et le Dieu, ton Créateur. Donc, arrêtez de se cacher derrière sous des prétextes pour dire, si vous ne pouvez pas aider la personne, laissez la personne. Mais quand même, si vous pouvez aider, ne rejetez pas carrément, ne découragez pas les gens. Moi, c'est ce que je vois. Il faut essayer de lui faire des propositions afin d'améliorer. On voit, voyez-vous, les, fêtes culturelles que font en Afrique du Sud les Zoulous, les différentes ethnies de l'Afrique du Sud, mais c'est extraordinaire, conformé à leur réalité. C'est extraordinaire de le voir. Tout ça, moi, je pense que, il, y a eu des, il y a eu des propositions qu'on a pu améliorer. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalangu. Nous étions en compagnie de Maimouna Diado, journaliste indépendante. Issa Madougou, journaliste freelance qui a participé à ce forum en ligne et Hassan boukar journaliste à la radio alternative. Merci donc à tous nos invités d'avoir euh, participé à ce forum. La présentation était assurée par Fatih Zakari, la technique Chombiano Abdulkader, la réalisation Mustafa Ayouba. Je vous rappelle le forum hebdomadaire samedi et dimanche à 17h avec l'actualité en cinq langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi le forum en Hausa sur quand et comment faire la cour à une jeune fille ou un jeune garçon. Et Le dimanche, le forum en germain sur le droit à l'image sur les réseaux sociaux. Très bonne suite à de nos programmes. Au revoir.